le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le Forum de la presse, l'émission qui reçoit des journalistes de la presse locale écrite, audiovisuelle ou en ligne pour une analyse de l'actualité de la semaine qui s'achève. Au menu du forum euh, de la presse d'aujourd'hui, sur le plan politique, c'est le modèle Faloumana qui fait parler de lui avec euh, simultanément deux congrès tenus, l'un à Niamey et l'autre à Dosso dimanche dernier. L'autre sujet, c'est la commémoration le 3 août du 59e anniversaire de l'accession du Niger à l'indépendance. Autre célébration dimanche prochain, c'est l'Aïd el-Kabir, la fête de la Tabaski. À propos, nous discuterons des prix des moutons et de la forte demande de bois de chauffe malgré l'existence d'autres alternatives. Nos invités pour en parler sont Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Hussein Issa, journaliste freelance, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative et à la présentation Alassane Kouzi Mohamed. Bienvenue à tous euh, dans ce forum de la presse de ce vendredi 9 août 2019. Euh, nous débutons ce forum par l'actualité politique avec la tenue le week-end dernier de deux congrès parallèles d'un et même parti, le Modern FALUMANA Africa. Une elle est restée au fief du parti à Niamey et l'autre était à Dosso. Curieusement, les deux ont investi Hamamadou comme seul et unique candidat du parti à l'élection présidentielle de 2021. Alors Hassan Boukar, quelle analyse peut-on faire à ce sujet, sachant bien que celui qui a convoqué le congrès de Dosso, euh, à savoir Omar Nouma, a des démêlés avec euh, Merci beaucoup Alassane. Alors, euh, comme vous le savez, ce qui se passe aujourd'hui à Lumana africaine n'est pas très très surprenant dans la réalité. C'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à deux congrès les mêmes jours pour le même parti. Euh, mais euh, globalement, ce qui est arrivé à Lumana n'est pas surprenant. Comme on le dit, quand le chat n'est pas là, les souris danse. Euh, l'absence de M. Amadou a dû donner des ailes à certains de ses militants qui ont cru que leur heure est arrivée, qu'ils pourraient jouer un rôle plus important au sein de cette formation politique. cette absence de M. Amadou, je crois, a, dû euh, beaucoup jouer dans la crise qui vit Lumana aujourd'hui. Mm. Euh, mais au-delà de son absence du territoire. Une absence de plus de trois ans, d'ailleurs. Voilà, au-delà de cette absence, mm. je pense que les sanctions euh, dont il fait l'objet de part de la justice mm. fait aussi couler beaucoup d'interrogations sur son avenir politique. Parce que M. Amamadou, en créant cette formation politique, je pense qu'une des choses qu'il vise clairement, c'est d'être un jour investi candidat, puis de conquérir le fauteuil hmm. présidentiel. Euh, je pense qu'il a gravi tous les échelons dans ce pays. Il a connu tous les postes, euh, ministre, parlementaire, hmm. chef de gouvernement, président de l'Assemblée. Je pense que ce qu'il vise, c'est bien ce poste de, président de la République. Hmm. Et donc, euh, le fait qu'il soit aujourd'hui l'objet d'une sanction euh, qui pouvait laisser croire qu'une éventuelle candidature de M. Amamadou aura du mal à passer lors des élections futures et tout ça. Je veux dire, hmm. toute cette situation, en fait, son sort hmm. de par la loi aujourd'hui, fait que les gens se disent est-ce qu'il est encore capable de reprendre la main sur le parti et pour quel rôle peut-il jouer Puisque théoriquement, il n'est même pas censé diriger une formation politique. C'est un peu, je crois, ce qui ressort de la décision de justice. Euh, ça ressemble un peu au sort qu'a subi M. Abdoulabo à la tête de la, de la CDS. Et donc, du coup, le fait que les gens doutent finalement de la capacité de M. Hamamadou à revenir, reprendre les choses et à jouer un rôle politique majeur fait que chacun s'est dit peut-être qu'il euh, faut jouer maintenant, il ne faut pas se faire des illusions, il faut peut-être penser à faire peut-être un jour le deuil de Hamamadou et que la structure Lumana puissent aller de l'avant avec d'autres militaires. Donc chacun essaie de se positionner, à mon avis. Mais avec ce qui vient de se passer, euh, notamment les décisions prises lors de ces deux congrès, on se rend bien compte que euh, les militants ne sont pas prêts encore à faire le deuil de justement de Hama Amadou, parce que je viens de le dire, ils ont tous investi euh, Hama comme seul et unique candidat. Comment comprendre finalement cela Alors, il faut quand même, il faut, savoir que M. Hama Amadou, c'est quand même lui qui a formé ce parti. Il a des gens qui sont reste très fidèle. Et ces gens se comptent euh, dans le dernier cercle de, décision de Loumana. C'est quand même des gens qui lui restent très fidèles. Et M. Amamadou n'a pas encore perdu tous ses pouvoirs. Hein. J'ai fait une vision peut-être à moins et long terme, mais mm. pour l'instant, il n'a pas perdu tous ses pouvoirs. Il a encore la capacité de reprendre au moins en partie les choses, les choses en main. Mm. Et du coup, je pense que toute sa bataille pendant tout ce temps, c'est de dire qu'il va être candidat et qu'il va se présenter aux élections. Alors, on ne voit pas, pour l'instant, on a du mal à voir comment tout cela va se passer. Mais en même temps, c'est fidèle, reste euh, sur cette ligne. Euh, il a été, il dit clairement qu'il va être candidat. Aussi longtemps que lui, il est là, il y a des gens qui sont prêts à se battre pour qu'il n'y ait pas d'éventuelle candidature. Mais aussi, je pense que d'un point de vue politique, c'est une très bonne stratégie, moi je pense. Le jour où nous dirait qu'il n'est pas candidat, au vu de ce qui se passe déjà, c'est qu'il y aurait tellement de candidats et de divisions hmm. au point où on peut s'inquiéter de l'avenir de la formation politique. Mais le fait que, sachant bien qu'une bonne partie de la base de l'Umana lui reste fidèle, une bonne partie de ses lieutenants tiennent encore les choses en main pendant son absence, hmm. le fait qu'ils disent Moi, je suis candidat et je suis prêt à me battre pour l'être, ça fait taire d'éventuelles dissidences au sein du parti. Maintenant, euh, il va falloir, euh, c'est ça l'autre, euh, l'autre enjeu majeur, à un moment ou à un autre, il va falloir dire quelle est, quelle la solution B À moins qu'il ne joue une démarche à l'ivoirienne, je fais allusion à ce que fait peut-être M. Bédier. Mm. Euh, qui, lui, n'est pas candidat et il empêche toute autre candidature pour soutenir Alassane Ouattara. Il l'a fait. Est-ce que Mahamadou viendrait à un moment où, lui, sa candidature étant invalidée, donc euh, il n'y aurait plus personne Et à ce moment, il négocierait, il marchanderait avec euh, d'autres éventuels candidats. Je pense qu'il y a un enjeu politique euh, qui n'est pas très visible peut-être mm. maintenant, mais qui se joue sans doute au sein de la formation politique. Alors, euh, Hassan Boukar, on l'a vu dans une vidéo à l'occasion du congrès de son parti, Hamamadou, hein, qui appelait à l'union et à la réconciliation de tous les Nigériens, qui, qui dit tendre la main à tous sans arrière-pensée. quelle analyse vous inspire cette déclaration ça peut, ça peut paraître peut-être un peu, un peu, un peu surprenant. On a connu quand même un peu euh, la victime Hama Amadou qui rappelait un peu cette position qui est la sienne euh, du fait euh, de tout ce qu'il a vécu avec cette histoire de bébé importé, ses déboires en justice, etc. Mais là, il est apparu sous un visage beaucoup plus conciliant, comme quelqu'un qui appelle à l'unité d'abord au sein de son parti. Pour l'unité, ce n'est pas étonnant. Euh, lui qui a dirigé le MNZ pendant des années mm. euh, et qui a créé l'Umana par la suite, il sait que lorsqu'on part en rang dispersé, c'est la meilleure façon de ne pas réussir à peser sur les jeux politiques. Et mm. là, quelle que soit son ambition, il a besoin d'une formation politique l'Umana unie avec tout le monde. Mm. Alors cet appel, puisque après, euh, je crois qu'il n'y a pas eu, euh, comme on peut s'y attendre, euh, des résolutions pour dire un tel est exclu, un tel. Pour l'instant, on ne l'a pas entendu. C'est peut-être l'effet justement de cet appel au pardon, à la cohésion, etc., etc. Mais aussi le fait qu'il appelle tous les acteurs politiques. Alors, effectivement, ça va au-delà ah, juste de son ça va, Ça, va, au-delà. Alors, c'est quand même M. Amamadou a été quand même, il fait partie de ces acteurs qui ont marqué la vie politique de ces pays depuis la conférence nationale. Mm. Euh, il a connu les meilleurs et les pires en politique. Euh, c'est euh, donc qu'il est victime aujourd'hui. Peut-être qu'en partie, ses adversaires ont été victimes au moment où lui, il avait les affaires en main. Mm. Il a passé donc par tous ces terrains-là. Alors, est-ce que, fort de toute cette expérience aujourd'hui, il s'est dit que si on se met dans une situation où on s'affronte de façon éternelle, Continuelle. Mm. Euh, personne ne gagne à ce jeu-là. Peut-être qu'il faut jouer bas la terre c'est peut-être euh, un Mamadou qui euh, est fort de toute cette expérience qu'il a vécue, qui parle aux autres acteurs. Alors, euh, l'autre question, c'est est-ce qu'il sera entendu c'est, une question qu'on peut se poser. Mais je pense que beaucoup de gens ont été surpris de voir ce, ce, discours beaucoup plus. qui apaise beaucoup, qui appelle un peu à la responsabilité et qui demande aux acteurs politiques de travailler davantage à la cohésion, à la paix, y compris au sein de sa formation politique. Je pense que c'est... On hmm. peut peut-être euh, croire que, bon, euh, il le dit au vu de tout ce qu'il a pu connaître en politique lui-même. Je pense que son cas est un exemple assez illustratif pour dire bon, en politique, on peut connaître euh, toutes les formes de situation. Et il y a un moment où il faut. La sagesse à là aussi. Je pense que M. Amamadou, euh, euh, maintenant. il, a, il, a, il, a, 70 ans. Je pense qu'il il y a aussi l'âge qui arrive, peut-être la sagesse qui vient davantage. C'est peut-être cela qui explique ce, ce, <laughs> cet appel. Bien, nous donnons la parole à nos autres invités. Gare Amadou, donc cette ces deux congrès parallèles tenus par le, en tout cas, euh, Modern au nom du parti Modern Falumana, l'un à Niamey, l'autre à Dosso. Euh, finalement, les deux congrès ont investi ma Communique et celle candidat à, l'élection présidentielle de 2021. Comment vous, vous analysez cet état de fait et euh, vu toutes les décisions en deux de, euh, de l'intéressé, Hamma Amadou, mm en tout cas qui invaliderait ce, sa candidature. Oui, il faut, comprendre deux choses. C'est-à-dire que eh, un congrès, c'est une Niamey, il a investi Hama. Un congrès, c'est une Adosso, il a investi Hama. La seule différence, c'est que ceux qui sont à Adosso, c'est pratiquement les gens frustrés qu'on a voulu jeter comme eh, deux de citrons pressés dont on n'en a plus besoin. Mm. Et par c'est-à-dire que leur fierté personnelle a été blessée. C'est pas qu'ils veulent être candidats. Non, on ne veut pas être candidat à l'élection. Non, non, Le problème, c'est que des gens ont été méprisés. Ils ont été brisés dans leur chair. On a voulu leur montrer qu'ils sont rien. D'abord, on l'a, on enlevé au niveau de la coordination de Dosso. Première étape. Deuxième étape, on dit non. Et même l'intérim, on l'enlève. On met quelqu'un. Mm. Dont ils n'ont même pas le même niveau intellectuel. Mm. Est-ce que vous comprenez mm. Et ça, c'est la première étape. En réalité, il y a une liste noire sur laquelle quelques des personnalités sont été inscrites et elles doivent être complètement détruites. Et ces gens-là sentent que non, avec tout le sacrifice qu'ils ont fait au parti, on n'a pas le droit de les jeter comme ça. Ils ont tout subi. Regarde, Noma a été pendant. Il n'a jamais été nommé ministre. La dernière fois où il a été nommé ministre, on lui a refusé de participer c'était l'histoire au moment de la l'histoire de, de coquille vide là. lui il voulait bien prendre une coquille vide parce que quand euh, même dans tous les cas mm. son CV s'agrandit. <laughs> Coquille vide oui d'accord mais lui il voulait quand même être ministre. Oh, on a fait des pressions sur lui, Les gens partaient chez lui pour, qu'il pour qu'il ne parte pas. Il a accepté tout ça là. Mm. Vous pensez qu'un monsieur comme ça mérite ce qu'on lui a fait Alors Gare finalement euh, eux qui étaient à Dosso, Noma, euh, et, les autres, est-ce que est-ce à dire le fait d'investir, de montrer qu'ils investissent en main montre que ces gens euh, n'ont pas de, n'ont pas de, velléité pour, pour être candidat ou bien que ces gens ils veulent euh, revenir en tout cas ils veulent être avec ses, autres collègues c'est un message camarades c'est-à-dire que c'est, c'est pour dire à ceux qui, ceux qui ont fait le congrès de Niamey que non et vous ne pouvez pas nous jeter comme ça a dire que ce monsieur là nous l'aimons comme vous et nous aussi nous voulons qu'on soit de la bataille vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez pas de nous, nous n'accepterons pas ça, nous allons nous battre pour ce monsieur-là, pour qui nous sommes en train. C'est tout le message. Euh, mais ces messieurs, ils étaient. Euh, euh, non, lui-même, il a mal géré la situation. Ils étaient en justice, quand même. Lui-même, il a mal géré la situation parce que vous savez, le SG du parti a dit des choses. Il a fait une audio, il dit il ne comprend pas son attitude. Vous savez, quand vous avez une situation difficile hmm. où vous avez des enfants qui sont en train de vous batailler, c'est pas que vous prenez. Vous dites que non, non, toi, je t'aime plus que l'autre. lui, non, non, non. Toi, sors de la maison, toi, tu restes de la maison. Non. Un père de famille responsable, qu'est-ce qu'il fait Il essaie de prendre les points de vue de chacun et essayer de ménager la chèvre et le chou. Et sans vouloir frustrer aucun d'eux, faire en sorte que tout se maintienne dans, la famille. Mm. Tout. Mm. C'est tout. Au sein ça Vous avez suivi tout ce déroulé au niveau, comment dire, du pacte Lumana. J'ai suivi ça de près. Ce que je déplore, c'est que un parti quand même qui est là, qui est resté debout pratiquement depuis quatre ans, en l'absence de son président, qui à un an et demi des élections, hmm. que cette rupture intervienne. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas comment ça a pu se passer. Mais toujours est-il dit qu'ils disent tous qu'ils sont derrière Hamas c'est Hamas leur candidat. Mais je vais dire une chose. Pendant toutes ces années, quelle lutte ont-ils menées de part et d'autre. quelles luttes ont-ils menées pour que Hamma puisse revenir au pays et mener le combat à la tête du parti Je n'en vois pas. En dehors des déclarations ponctuelles qui sont faites, il n'y a pas de véritable lutte pour que Hama puisse rentrer au pays et, prendre les choses à main. Mais, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas pour éviter l'affrontement L'affrontement, moi, je dis, vous savez, en matière de lutte politique, là, il faut se dire une chose. On voit un peu partout comment les choses se passent. Quand le leader est dehors, les gens à l'interne, ils se battent. Ils se battent, ils s'investissent, ils mènent un combat pour que le leader, le leader puisse revenir au pays. Et vous n'avez pas cette impression Non, il n'y a pas eu cette impression-là. Maintenant, pour des questions de positionnement, de positionnement vraiment euh, à, des strapontins, que des gens se mettent à se quereller, moi je dis, c'est vraiment honteux quelque part de la part de Lumana. Personne ne s'attendait à ce que Lumana soit dans cette situation du jour au lendemain. Et tous les deux disent que tous les deux congrès confirment comme étant leur candidat. Mais je ne peux peut pas venir au pays, mais comment il peut être candidat et on sait aussi qu'il y a euh, plusieurs décisions, en tout cas de justice, en défaveur de justement Hama Amadou. Est-ce que finalement sa candidature, a des chances d'être acceptée Oui, mais euh, comment À partir du moment où le problème principal n'est pas réglé, je veux dire, il y a la question de l'article 8 du Code électoral qui est là. Ah. la, question de la condamnation qui est là. Mm. Mais bon, c'est leur candidat. Mais il faut que ça soit matérialisé, qu'on puisse matérialiser ça. Mais avec quel argument, avec quelle euh, stratégie, ils vont pouvoir imposer cette candidature-là C'est toute la question qu'il faut se poser. Mm. Euh, Hassan Boukar, vous, avez voulu euh, ajouter ah, quelque oh, chose oh, Oui, oui, c'est un peu sûr justement le rôle qu'auraient pu jouer les partisans de Hamamoud. Je pense que le fait que ce soit une décision de justice du, du à des certains, face à une décision de justice, normalement chacun se soumet. Maintenant, si lui-même était là, euh, ce que ces militants auraient pu faire, c'est peut-être créer un rapport de force. Regardez le cas récent de Yahi au Bénin. Ça montre que lorsque les gens se mobilisent, ils créent un rapport de force euh, jusqu'à obliger l'exécutif à reculer. C'est un peu ce qui est arrivé au Bénin. Peut-être que les partisans de M. Amamando auraient pu être beaucoup plus actifs, mais je pense que certains ont dû être dissuadés par le fait qu'il y a en face quand même une décision de justice face à laquelle, bon, alors, rapidement, Gare, nous allons, euh, avant de continuer sur un autre sujet, euh, on a vu aussi une vidéo euh, de Hamamadou qui appelait à l'union, à la réconciliation, une main tendue à tous les Nigériens sans arrière-pensée. comment vous analysez cet état de fait non, en fait, c'est une situation. Et quelle suite, en tout cas, attendre de, cet appel Oui, d'abord, ça veut dire quelque chose. Quand on fait l'analyse, c'est que Ham a compris que il n'y a, pas pas d'issue pour lui. Est-ce que vous comprenez Toute la stratégie qu'il a déployée, il a compris que là, on est arrivé à un point où les choses sont très claires. Il n'y a pas d'espoir pour lui s'il ne change pas de discours. Et voilà, s'il ne change pas de discours. Et là, on a vu un homme qui tient un discours conciliant. Il y avait déjà les, signes avant, parce qu'il y avait une interview, lorsque euh, le, sur Bonferré, on lui avait les questions sur les cinq dernières minutes, il y avait une question qu'on lui avait posée. On lui a dit, est-ce que vous pensez que les problèmes actuels au niveau de l'Oumana est dû au pouvoir chose étonnante. Parce qu'en temps normal, a dit oui, oui, c'est le pouvoir. Nous avons des informations que le pouvoir est en train de, tirer les ficelles et de, faire en sorte que cette chalie-là s'installe au niveau du Mala. Chose qui Ham dit non. C'est trop facile d'accuser le pouvoir. Il dit le pouvoir est peut-être content. Content. content Mais il n'a pas de preuve que le pouvoir. Ça, ça a étonné. Et ça, c'était les signes qu'il y avait un changement de stratégie au niveau de Ham. Certainement qu'il y a des nouveaux conseillers qui lui ont dit eh, eh, excellence, il ne faut pas faire ça. Ça, là, si on fait ça, on va droit dans le mur. Hmm. Ce qu'il faut, c'est mettre, en tout cas, changer le discours, amener plus de conciliation pour qu'il puisse y avoir du dialogue. Mais la manière forte, là, le truc sabar zangou et qu'on là, et qu'on là, hmm. sabar, sabar tout ça là, et tout ça ça marchera pas. ça est-ce que c'est votre point de vue, une nouvelle euh, stratégie, cette façon de... Le discours a radicalement changé parce que quand on a suivi un peu sur les 5 dernières minutes, comme vient de le dire Gary, mais également, et, comment veut dire, et, le discours qu'il a prononcé à, euh, la vidéoconférence, à, l'occasion du congrès, euh, aux militants qui se sont mobilisés à Niamey. Ça dénote un peu que, bon, il est dans une posture un peu pour ramener tout le monde euh, dans la famille, pour rassembler la famille mais également vis-à-vis du pouvoir, n'est pas aussi créer une situation qui va davantage compliquer. Mais la situation est compliquée déjà avec euh, bon, le procès qui fait dire que à l'issue duquel le procès à l'issue duquel on a donné raison à, Noma. Est-ce qu'on peut euh, s'attendre euh, d'ici les jours à venir que le pouvoir puisse entendre cet appel et qu'il oh, puisse ce y avoir pas, Ce n'est pas. Moi, je dis quelque part. Hein, moi, je dis quelque part. Il faut se dire une chose dans ce pays, c'est que les gens le plus souvent, ils ont les intestins fragiles dans ce pays. Les gens ne font pas la politique par conviction, avec des idéaux, parce qu'ils ont des valeurs à défendre. Les gens font la politique et c'est ça qui me désole par rapport à la démocratie au Niger. Les gens rentrent en politique, ce n'est pas parce qu'ils ont des valeurs, ils ont des idéaux qu'ils veulent défendre, qu'ils veulent mettre en œuvre. Non, mm. et c'est malheureux. On va continuer à tourner en rond dans ce pays pendant des années, des décennies peut-être, sans pouvoir avancer parce que tout simplement, les gens n'ont pas de programme politique. Les gens viennent, on fait la conquête du pouvoir, on s'installe, on se partage les postes et chacun trouve un point de chute. mais mm. On met en fonction de ton influence au sein de la formation politique. Hassan Boukar Oui, sur, cette, euh, ce propos de M. Amamadou, justement, auquel on demande de savoir si le pouvoir était à l'origine de cette crise dans sa formation politique, je pense qu'il a une position très, très intelligente de dire je n'ai aucune preuve pour le dire, parce que. Euh, d'habitude, comme Garel l'a dit, on, se serait attendu à ce qu'il disent oui, mais c'est le pouvoir, parce que sa formation politique a continué à dire qu'on cassait des partis, qu'on cassaille des... ceci. Alors, lui, c'est comme s'il prend le contribué de tout ça. Et il l'a dit dans un pays où les citoyens sont aussi fatigués d'entendre le pouvoir dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit ils sont manipulés par Hamamadou l'opposition dit dès qu'il y a quelque chose, ils sont manipulés par le pouvoir. Et donc, ces deux positions-là, alors nous, on dit souvent, euh, on le retrouve aussi dans la presse, on dit c'est indiscréé, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, chacun accuse, l'autre. Et il y a une insulte. Finalement, c'est une rupture. Regardez des syndicats, regardez des syndicats qui ont quatre mois d'arrêt. Quand ils revendiquent, on dit, ouais, ils sont manipulés par Hamam. C'est quand même une insulte pour ces personnes-là. Donc, le pouvoir agit de la même façon, ainsi que l'opposition. Mm. Alors, cette sortie de M. Mamadou, évidemment, ça fait que... quelque chose ça ça euh, de, je, Bien. Je, voulais, ajouter quelque chose là, en, quelques secondes. Par rapport à ce que vous disait concernant le fait que les gens rentrent dans la politique, mm. parce que uniquement pour faire, c'est comme si. Mm. En réalité, vous savez, c'est comme à l'université, il y a des filières. Il y a la filière droit, médecine et tout ça. Bon, il y a la filière politique pour faire carrière, mm. c'est-à-dire pour pour, pour, être riche. C'est ça le truc. Parce que les gens, ils ne font pas de conviction. Autre chose, pour que l'appel de Hamas soit entendu, lui, il a lancé un appel. Maintenant, il y a des manières pour faire en sorte que ça s'appelle la soie Ce C'est pas que le gouvernement dit ah oui d'accord j'ai écouté oui d'accord on est d'accord oui viens. Et puis non c'est pas comme ça. Mm. on utilise des, médiateurs. Il y a des gens qui vont servir d'intermédiaires pour faire des rapprochements. C'est comme ça que ça marche. Sur le plan national et international. C'est comme ça que ça marche. Bien. Alors passons au second sujet, c'est sur la commémoration du 3 août 1960, date anniversaire de l'accession du Niger à l'indépendance. Afin de lutter contre l'avancée du désert, les dirigeants de l'époque du Niger ont décidé de 2002 1960 1975 de consacrer cet événement à la plantation des arbres partout au Niger, d'où l'appellation fête de l'arbre. Cependant, l'on constate aujourd'hui avec amertume le non-respect euh, de ce célèbre dicton planter un arbre, c'est bien, l'entretenir, c'est mieux, sans oublier l'abattage récurrent des arbres existants pour divers usages. Gare Amadou, qu'est-ce qui explique ces comportements et comment apporter des corrections C'est un laisser-aller de, l'État. Moi, vous savez, il suffit simplement de faire un tour de la ceinture verte pour être vraiment triste. Vous avez des logements qui sont construits au sein de la ceinture verte. Comment vous pouvez expliquer ça La ceinture verte, moi je me rappelle quand on était enfant, c'était tellement touffu que en fait on partait pas à la pilule pour faire pique-nique. Non, non, non. On payait nos, affaires de thé, on vient sous des arbres là, tellement il y a de l'ombre. C'est là-bas qu'on s'asseye, on passe toute la journée. Mais aujourd'hui, tout est clairsemé. On a coupé les arbres, les gens ont commencé à construire. Tu vas voir une école par là. J'ai l'impression que l'État a failli concernant la préservation de l'environnement. Je vous assure. Mm. Parce que, je vous dis, il ne suffit pas de, planter un arbre, il faut l'entretenir. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'État a relâché. Il y a une course galopante vers l'immobilier qui fait en sorte que, pratiquement, au niveau de l'État, on est en train de céder certaines, certaines parties, de, en tout cas certains espaces verts, mm. au profit de logements mm. ou des infrastructures. Je trouve que ce n'est pas normal. Il fallait préserver la ceinture verte c'est pas trop tard parce que jusqu'à présent, il y, a des gens gloutons qui continuent à mm. vouloir construire des choses au sein de la ceinture verte. Si on ne prend pas garde, je vous assure que la ceinture verte va disparaître. Et pour ce qui est des plantations, des, des arbres au niveau des, différentes, concessions Vous savez, en fait, ce qu'il faut, il faut qu'on change euh, de mentalité. Vous savez ce qu'on fait au Niger mm. Dès qu'on y plante un arbre, on plante un nem. Mais au Burkina, quand on y plante un arbre, porte, on plante un arbre qui va donner des fruits mm. qu'on peut consommer. Est-ce que vous comprenez Mais nous, on a on dit qu'on oh on, va mettre un hymne parce qu'il y a de l'ombre. Non, l'ombre, c'est. Pourquoi tu ne mets pas quelque chose qui peut amener non seulement de l'ombre et puis des fruits que tu peux consommer mm. Voilà ce vers quoi il faut tendre. Pas juste planter des arbres comme ça pour, que l'endroit soit vert. Non planter des arbres qui seront utiles pour la consommation. Point. Euh, Hassan Boukar, euh, la plantation des arbres, en tout cas une tradition qui ne date pas d'aujourd'hui, mais euh, on, se rend compte que, en tout cas, il y a des failles. Euh, je crois, euh, je, crois que l'État les, du Niger, en voulant faire de la fête de l'indépendance, la fête de la, a bien vu. Il faut quand même rappeler que nous sommes pays, un pays qui est recouvert par le désert aux trois quarts dans un pays comme celui-ci, la question de l'environnement est une question cruciale et une question extrêmement importante. Donc le fait de planter des arbres, c'est bien, mais comme Garé l'a dit, euh, on ne voit pas les mesures qu'on prend pour que ces arbres-là survivent, grandissent et survivent. Euh, un moment. Et le choix même de l'arbre. Oui, oui, oui. Ah. Un, moment, euh, on était tellement inquiets sur l'avancée du désert il y avait des statistiques, on disait chaque année, le désert, le désert avance de 4 km, de 5, de 6 km, on le faisait. Et on interpellait les, les citoyens quant à leur rôle en disant que la plantation d'arbres peut essayer de freiner l'avancée des Ce discours, la dernière fois que vous l'avez entendu, c'est quand on l'a totalement <laughs> oublié aujourd'hui. Et pourtant, le désert est bien là, il avance. Moi, je, je, viens de la région de Difa, mm. mais dans les années 80 déjà, ce n'est pas, pas, pas très lointain. L'environnement tel qu'il était à l'époque, a totalement changé aujourd'hui. Le désert a repris. Un moment, pour vous raconter une anecdote, il y avait une route qu'on suivait. On, était, on venait du, collège de Manesoroa. Quand on arrivait à Gourmaria, on marchait, parce que c'était difficile d'avoir un véhicule, on marchait à peu près 36 km. Hmm. On marchait, on avait nos sacs à dos et puis on partait au village parce qu'on ne veut pas attendre 48 heures, 70 heures avant d'avoir le véhicule. Hmm. Alors aujourd'hui, les chauffeurs vous disent non, la distance fait 40 ou 43 km. J'ai dit, mais ça ne se rallonge pas. Le, ils disent non, parce que y a les chemins d'avant ne sont plus fréquentables. Donc les dunes de sable Alors, vous faites tellement de détours et de contours, ça rallonge de 7 à 8 km. Mm. Mais c'est quand même, on est dans le même pays, euh, il, faut, le voir. Et donc, euh, moi, au moment quand on avait annoncé le gaz naturel avec la raffinerie et tout ça, j'avais un peu rêvé en disant, voilà une occasion de préserver les arbres. Mm. C'est-à-dire, le gouvernement casse davantage l'accès au gaz domestique. Et il ne, s'arrête pas là. Tu fais de la sensibilisation, de la promotion pour dire, puisqu'on a le gaz, laissez les arbres tranquilles. Mm. Mais ce discours aussi a totalement... Et, là, je suis d'accord avec Gary. De ce point de vue, l'État a failli. Alors, euh, Hussein Issa, quels sont, selon vous, aujourd'hui les enjeux pour le Niger de planter et d'entretenir correctement des arbres Je crois que quand la fête de l'indépendance a commencé à être célébrée, c'était sous la première république du président Diori c'est Kunchi, quand il est arrivé, il a décidé d'instituer cette journée en journée nationale de plantation d'arbres dans le pays. Mmh. Au lieu que ce soit juste euh, une journée festive, il fallait créer les conditions pour que les gens puissent planter des arbres. Ça fait combien d'années depuis Kunchi, je crois que c'était en 76 à aujourd'hui. Mmh. Chaque année, c'est seulement à l'occasion du 3 août qu'on parle de l'arbre. Dès que ça, on, passe, la journée passe. Il faut attendre On, oublie, on dit planter mais entretenir, planter entretenir. Mais quand je prends juste ce que Gary vient de dire, la situation de la ceinture verte, rien que ça illustre que les pouvoirs publics, c'est juste à l'occasion de la fête, il faut faire un coup de com'. Montrer qu'on est là, on plante les herbes, on fait ceci, cela. Mais imaginez cette ceinture verte-là, elle a été érigée à l'époque de Djori. On a investi beaucoup d'argent dedans. Voilà. Et aujourd'hui, des gens sont venus parce qu'ils ont les moyens. On peut morceler, les gens viennent détruire les arbres. Il faut voir la longueur, la distance que ça fait. On a tout démantelé. Aujourd'hui, tout ce qu'on entend, moi j'ai dit, c'est juste du folklore. Cette histoire-là, c'est du folklore. Parce qu'on n'a pas besoin de dire aux gens de planter. Quand je me rappelle, Sankara avait décidé un village, en bois. Un village, en bois, il a montré l'exemple. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de chercher à dupliquer ici. Un village, en bois. Quand vous allez au Burkina, le Burkina était plus aride. Un pays plus aride que nous. Mais au Burkina, aujourd'hui, c'est un pays vraiment verdoyant. Il y a des arbres partout. Dans n'importe quel village où vous venez, vous allez trouver le bois là, en tout cas qui a pris. Et les gens ont été conscientisés, sensibilisés pour que quand on plante, on entretienne. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici. On a fait la cérémonie où des officiels sont venus avec des grands boubous. Ils ont planté, on lockdown, donne, et après, c'est fini. Même quand, dans la ville de Niamey, je vois au niveau de certains, comme avait dit, les lampadaires là, on, plante des arbres et on les abandonne. On vient, on, plante juste des arbres sur les. Dans les, terres centrales oui. oui, hmm. Mais après, au bout de quelques temps, on laisse les animaux en divagation, ils viennent, ils broutent les, les feuilles et puis l'herbe disparaît. Ça, j'ai dit, il faut qu'on cesse ça. Si on veut sauvegarder, si on veut préserver, on veut créer les conditions pour que l'environnement au Niger, en tout cas, les conditions soient réunies pour que cet environnement-là quand on crée, en même temps, on fait le discours, en même temps, on permet à des gens, parce qu'ils ont les moyens, de pouvoir prendre des espaces dans du bois qui a été euh, comment réalisé depuis des décennies. Moi, je dis, c'est à la limite une insulte à l'endroit des, populations. Mais est-ce qu'il faut attendre forcément les autorités pour agir, pour, planter des arbres et, les entretenir Non, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe c'est que quand on permet à des gens, ce n'est pas les autorités, euh, c'est symbolique ce qu'ils posent comme acte. Mm. C'est le jour, le 3 août, ils se déplacent avec des grands boubous. Ils vont euh, déjà les, trous où on doit mettre les arbres déjà euh, sont déjà prêts. Mm. Et ils viennent, ils font juste l'acte là, ils posent juste l'acte là et puis c'est fini. Mais il y a des citoyens qui plantent des arbres au niveau de leur champ. Mais c'est à l'échelle du pays qu'il faut voir la chose. Et il faut un accompagnement. Mais malheureusement, il n'y a pas ça. Mm. On vient, on fait juste, euh, comment on veut dire, la comédie là. Et puis on dit non, il faut l'environnement, il faut sauvegarder l'environnement, c'est à travers la plantation d'arbres. Moi, je dis, il faut arrêter la comédie. Ça fait combien d'années Si véritablement le nombre de plants d'arbres qui ont été euh, plantés mm. depuis 76 à aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation-là. Alors, que faire Est-ce qu'il faut obliger les gens à, ce que chacun puisse avoir un arbre à planter, à entretenir Moi, je me rappelle à l'époque, euh, c'était sous oh. Kunche, quand il y a la cérémonie, là, on s'est déplacé pour aller chercher un plan pour venir mettre. C'est-à-dire, on allait sur le site où il y a la plantation. au niveau des Chacun cherche à trouver, oui, oui. Mm. Non, là où il y a la cérémonie de mm. plantation officielle, les gens se déplaçaient, on s'est déplacé pour aller chercher. Chacun voulait avoir pour venir planter chez lui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cet engouement-là. Euh, oui, euh, J'ai dit sur le rôle de, l'État, je suis d'accord avec Hussein. Mm. Mm. Si l'État voulait préserver la santé il l'aurait fait. Mm. Regardez cet État qui est si puissant, qui peut venir trouver des boutiques bien construites dans les rues, qui peut les détruire un matin. Ceux qui ont commencé à construire dans la santé verte, ce ne pas les pauvres paysans, ce sont des gens qui ont du pouvoir. Les, euh, vérifiez avec les services des eaux et forêts. Il était bien là. Il y a des moments où il faisait pratiquement la veille euh, dans la ceinture verte. Ce qu'ils l'on fait, c'est les gens qui ont du pouvoir. Si l'État voulait, il l'aurait empêché. Euh, autre chose, sur le fait que finalement, chaque année, on fait cet exercice. La plupart du temps, c'est présidé par le président de la République qui vient devant lui, tout le monde plante. Ce serait un, exercice intéressant qu'il revienne chaque année, au lieu de planter de nouveau, qu'il retourne là où il était le 3 août passé. Pour voir, si c'est encore vivant. Alors, pour voir à quoi ça ressemble. Peut-être qu'on aurait eu quelques, quelques, quelques euh, bois, comme c'est le euh, c'est vrai ce que, ce que dit, c'est extrêmement intéressant. cest peut-être le président ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui, peut-être, ils sont Lui, par exemple, il a peut-être la, bonne volonté pour qu'on plante les arbres et qu'on puisse reverdir le pays. Mm. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, il y a des maires véreux qui vendent des espaces. Lui, il ne le sait pas. Par exemple, moi, j'aimerais bien que le président parte visiter la ceinture verte. Mais il va être complètement choqué de voir ce qu'il va voir. Et, c'est des gens qui sont puissants. C'est vrai, c'est des gens qui sont souvent proches du pouvoir, qui ont euh, à qui on donne des... C'est-à-dire, il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas, en même temps, on plante des arbres. En même temps, la population voit que, oui, oui, là, on est en train de couper des arbres parce qu'il y a un monsieur qui est riche, qui a acheté l'espace, qui veut construire une sorte de complexe ou quelque chose, je ne sais quoi encore. Mm. Il faut que cela cesse. C'est-à-dire que l'État, c'est l'État qui, donne des signaux et les gens suivent. Et quand les gens de la population voient tous les quartiers environnants de la ceinture verte, ils voient ce qui se passe. Bon, ces gens-là, vous n'avez pas venu le dire. Le gars du ministère ne va pas le dire. Ah non, l'arbre c'est important. Il va te dire, mais non, si c'est important, pourquoi vous avez coupé là-bas au niveau de la ceinture verte, là où on a fait le. un mauvais message alors voilà, que tu la Voilà, il mm. faut que. Oh, d'abord, les espaces où on a construit anarchiquement, tous ceux qui sont là, de la même façon qu'on a détruit des boutiques, de la même façon ces gens-là, qu'on leur dise, bon, écoutez, dégrépissez, l'État a décidé, on va reverdir cet endroit-là. Tout ce que vous avez fait, on va casser. Voilà. C'est comme ça que cela passe. Mm. Mais si on les laisse, je vous dis que c'est un mauvais signal qu'on donne. Et la lutte contre la désertification a vraiment de, beaucoup, de, beaucoup, il y a beaucoup de travail. À faire. Alors, que faire aussi pour, pour que les Nigériens, que chaque Nigérien puisse avoir, en tout cas, cet engouement de, vouloir il faut d'abord euh, planter des arbres savez, et surtout des arbres utiles, comme vous l'avez dit. Oui, des arbres utiles. Moi, j'étais au niveau de, il y a un, espace, espace, vert là, à côté de, de, garage municipal là, hmm. l'espace de l'amitié, je sais pas, Nigeria, Turquie. bosquet des Nations. Oui, bosquet des Nations. Mais vous avez vu les arbres qu'on a plantés Il n'y a pas d'ombre il n'y a pas de fruits. Les arbres sont là, hein. mais inutiles. Ça dire juste on a rempli l'espace, les arbres ne donnent pas de fruits, il n'y a pas d'ombre, il y a des épines, vous ne pouvez pas vous asseoir. Ça ne sert à rien du tout. Et donc, il faut que les gens comprennent que maintenant, c'est qu'il faut faire. Non, quand même, que ça sert à quelque chose, garder les arbres, non <laughs> Même s'il n'y a pas de fruits, je veux dire. non, je veux dire par là. Non, ce que je comprends. L'arbre, c'est vrai, avec le processus de, de, de, comment on appelle ça là De, photosynthèse, oui, oui. L'oxygène, etc. Blablabla. je comprends tout ça là, c'est juste. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'en même temps, au Burkina, ce n'est pas comme ça qu'ils font. Au Burkina, on ne va pas te planter une, un homme comme ça, tout juste. Non, non, non. On va te planter un arbre qui va donner de l'ombre, qui va donner des fruits si on dit aux gens que planter des mangues, il y aura des mangues partout. Et les gens vont être encouragés parce que tu sais que tu vas entretenir, pas seulement pour l'ombre, parce que ça va faire des fruits à des saisons bien déterminées. Mais oui. Bien. Euh, Hassan Boukar, vous, allez, vous, euh, voulez euh, réagir Nous allons passer juste, le fait que Gareth disait presque que le président ne le, sait pas. Moi, je pense que le président ne peut pas l'ignorer. Les médias ont beaucoup dénoncé l'affaire de la ceinture verte. Les médias ont beaucoup travaillé pour dire la ceinture verte, attention, c'est important, mais le président ne peut pas l'ignorer. Je considère peut-être que euh, peut-être qu'il ne s'est pas intéressé pour des raisons qui lui sont propres. Mm. Je pense que cette affaire de la ceinture verte, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il l'ignore. C'était au vieux aussi de tout le monde. Bien. Dernier sujet de ce forum, je le disais en début d'émission, les Nigériens célébreront dimanche 11 août euh, la fête de la Tabaski. Comme chaque année à pareil, moment, l'accessibilité aux moutons est problématique à cause de la spéculation sur les marchés et la rareté des ressources pour de nombreux chefs de famille qui peinent à se procurer le bouton garé. Des commentaires sur cet état des faits. Qu'est-ce qui peut être fait, sachant que le Niger est un pays d'élevage et qu'il approvisionne plusieurs autres marchés mais vous savez, euh, euh, je vais dire, quelque part, je vais dire, malheureusement, dans un pays démocratique, si c'était des militaires, on va dire non, non, non. Les prix, c'est ça, ça, ça. Mais non, mais enfin, je vais dire par là. <laughs> non, mais parce que nous, on a des problèmes pour, nous Quand je dis nous, je veux dire la majorité de la population a des problèmes pour avoir un mouton aujourd'hui. Vous allez voir un mouton, un mouton gringalé, friluqué, hors de 100 000. Tout à l'heure, j'étais avec vous, on était en train de discuter. Mais c'est honteux. C'est-à-dire que les gens, moi, je ne me rends pas Ils ne se rendent pas compte la fête de la Tabaski, c'est une journée, peut-être la deuxième, mhm. mais pour une journée, là, vous avez élevé des animaux. Mais ça ne rien de retourner au village avec. C'est-à-dire que vous ne perdez rien. Au contraire, si vous vendez tout, même si vous, cassez les prix, si vous vendez, vous êtes toujours bénéficiaire. C'est-à-dire que l'élevage, là, c'est pas comme, euh, oui, j'achète une boîte de sardines à à 100 francs, je vends à 200 francs. Non, l'élevage, n'est pas comme ça. Mais est-ce qu'ils voient ça de cet œil Est-ce que pour, eux, ce n'est pas une occasion de se faire de l'argent Vous savez, ils se disent que oui, oui, c'est de la capitale. Donc les gens, c'est des commis, comme ils disent au village. Ils, ont les moyens. Donc on va. Et qu'est-ce qui se passe Ce que le jour de la fête, les gens qui ont compris, ils viennent le matin. Le matin. Quand le gars est soufflé là, il n'a pas pu vendre là. Il, est soufflé là, ils viennent, il ramasse. Ils, vont, ils, partent pour la... Parce que tout le monde a compris cest c'est vraiment bête de vouloir chaque fois faire monter des prix pour des moutons qui ne valent pas la peine. Hassan Boukar, <laughs> oui, Hassan Boukar, par rapport à cette spéculation sur, le prix des moutons. C'est ça, finalement, les gens gardent les moutons jusqu'au dernier mois, après ils n'arrivent plus à vendre et ils, reviennent avec. Mais, euh, bon, c'est aussi la loi de l'offre et de la demande. Hein. Les gens vérifient les prix sur le marché et ils montent les enchères. Certains ont la chance de s'en sortir, d'autres perdent. C'est aussi les. Mais, mais, regardez par exemple, comme Garel dit, souvent quand vous partez voir un mouton, on dit 100 000 alors, regardez dans ces pays, il y a des mois où, parce que les salaires sont payés, on monte les enchères. Dites-moi quel est le fonctionnaire moyen qui peut mettre 100 000 francs pour acheter un moto parce que après la, tabaski, il faut vivre, non Il faut vivre. Il faut vivre après la tabaski. bon. Vous avez quelques jours, en tout cas, avant la fin du mois. Bon, bon. <laughs> avant que la rentrée scolaire ne, s'annonce. Et donc, je, considère que, oui, il y, a la loi de l'offre et de la demande. Il y en a qui sont bien malins. Ils partent à la périphérie. Le mouton qu'ils achètent à 60 000, le revendent à 80 000. Bon, c'est le marché. C'est mm. peut-être l'occasion pour certains. Ils se préparent à ça. Hein. Mm. Mais, euh, malheureusement, dans, dans, un pays musulman où, pour les gens, ce n'est pas simplement pour la viande qu'on code le mouton, c'est un acte sacré. Mm. Et je pense que dans ce contexte, peut-être, je me dis, l'État aurait pu, je sais pas, il aurait pu peut-être jouer un rôle mm. de façon à ce que la spéculation ne puisse pas prendre le dessus. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, même les, euh, les fervents défenseurs de la loi de, de l'offre et de la demande, du marché, savent aujourd'hui que le marché est destructeur, le marché favorise la famine, ça favorise l'accès illégal aux services, ça favorise finalement euh, qu'on détruise les plus pauvres les ménages les plus fragiles souffrent lorsque le marché devient très puissant. Et donc, je me dis, chez nous, les États doivent aussi faire attention à ça, y compris quand il s'agit de la tabaski. Nissa, est-ce que vous pensez que l'État aurait pu faire quelque chose par rapport à cette, spéculation Bon, on est dans un contexte euh, libéral. libéral. À, à outrance, peut À outrance. <laughs> C'est un peu compliqué. On est dans cette situation-là, l'État ne peut pas imposer des prix. À l'époque, je me rappelle, il y avait une société qui avait été mise en place, qui achetait des moutons en fonction de la, grandeur de la euh, ou je ne sais plus exactement, j'ai sonale, où les gens pouvaient aller prendre des moutons 25 000, 30 000, en fonction de ta bourse. Hmm. Tu pouvais trouver un mouton. Comme, la copro. Voilà, tout à fait. <laughs> bon, ça c'est derrière nous. <laughs> Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, bon, les gens qui sont là, qui amènent les moutons, le plus souvent, ceux qui se baladent en ville, c'est des spéculateurs. C'est-à-dire, ils vont voir ceux qui amènent le mouton, qui leur fixent des prix. Si tu trouves tel montant, il faut prendre. Mais le monsieur, quand il prend le mouton, il circule en ville avec, il va vouloir trouver le double. C'est-à-dire que. Pour avoir euh, un peu plus. Bien, entendu. Hum. Même s'il trouve un peu, il refuse de vendre. Et la même situation, quand vous allez dans les villages, des marchés hebdomadaires là, c'est la même situation qui prévaut. Dès qu'on vous voit, on va à votre allure là. On sait que vous, êtes, vous, venez, de, vous la venez de, la ville. C'est que le prix qu'on va vous mettre, on ne va pas mettre ça à un paysan qui est là localement. Oui. <laughs> Et finalement. Finalement, on se trouve dans une situation. Aujourd'hui. C'est sauf qui peut. Hein, aujourd'hui, un peu, Comment euh, comme avait dire, euh, j'ai demandé tout à l'heure même, il y a une dame qui m'a dit bon, j'étais assis devant ma porte, elle, est venue, elle me dit, elle est venue voir une de ses soeurs dans la maison voisine. Elle me dit, bon, comme tu es dehors, si tu vois les vendeurs de moutons passer, il faut, il faut, il faut me faire signe, il faut les arrêter, il faut me faire signe. On a négocié un mouton, vraiment. Un mouton qui, vraiment, qui, n'est pas, qui n'a pas d'un bon point. Le monsieur, quand on lui a posé la question, c'est combien Il dit, c'est 125 000. Bien, dernier aspect, euh, si vous me permettez, il y a un aspect que je voudrais qu'on aborde, il nous reste deux minutes. Oui, oui c'est concernant les moutons. Vous savez, quand vous demandez aux vendeurs, on dit Ah oui, oui, non, les moutons ne sont pas chers, il y en a pour toutes les bourses. Ah oui, mais c'est facile à dire. Un mouton de 50 000, il ressemble à un chat. C'est-à-dire. <laughs> Non, c'est vraiment, c'est ça, ça le problème. Ils vont vous dire Non, il y en a pour toutes les bourses. Quand vous dites 50 000, il y en a, oui, il y en a pour 50 000. Et quand tu te montres, ça, tu ne peux, pas, faire de, de, de, de la avec. Alors, autre aspect, c'est que les Nigériens restent accrochés à l'utilisation très forte, en tout cas, du bois de chauffe pour la grillade qui implique la disparition de nombreux arbres. Nous venons d'en parler, de, l'importance de la plantation des arbres garés. Euh, les Nigériens sont-ils vraiment conscients des dégâts euh, par rapport, en tout cas, à, cette utilisation euh, du bois oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation pour, pour que les gens puissent utiliser le charbon. les gens sont en train, de le charbon. Les gens sont en train de. Euh, oui, mais, mais, est-ce que, est que, le ministère de l'Environnement fait quelque chose pour sensibiliser les gens C'est-à-dire, c'est pas la de la, tabaski, on va dire ah oui, il y a du charbon, achetez. Non. cest à que dès que la tabaski finit, faites une campagne pendant toute l'année pour dire que pour griller des choses, c'est du charbon. Chez les bouchers, chez Lazare ou chez quelqu'un d'autre là, utilise ça. Et il faut faire de la sensibilisation. C'est comme ça que ça marche. Mais vous ne pouvez pas laisser les gens c'est à quelques jours comme ça, on va sur Facebook, oui, oui, il y a du serment à vendre ici. Non, les gens ne savent même pas comment utiliser ça d'abord. Mm. Et c'est parce que le ministère de l'Environnement n'a pas fait la sensibilisation nécessaire, en tout cas assez, et ce n'est pas dans une période déterminée, c'est pendant toute l'année pour que l'habitude de l'utilisation du charbon de bois soit et l'abandon de, oui, de bois. voilà. Mm. le, bois de charbon. Le bois de Hassan Boukar, rapidement. je suis d'accord avec, euh, avec Garé, cest vrai que l'État, mais aussi les ONG, c'est vraiment euh, dans ce pays, une sorte de synergie. De survie. Il faut mm. que les ONG aussi euh, s'y mettent, mettent sur ça. Mm. Il faut vraiment sensibiliser, et y compris en taxant ce qui amène encore bois. Hmm. Il faut le taxer fort et décourager. Et c'est ici que... Oh, oh, ah, oh. Je vais rajouter, c'est que le tout n'est pas de dire qu'il faut aller au charbon minéral carbonisé ou au gaz. Encore faudrait-il qu'il y ait la disponibilité, parce que ça pose souvent problème. Le gaz, il y a des moments où ça disparaît dans ce pays alors, Alors et nous, le forum de la presse euh, d'aujourd'hui prend fin. Nous étions en compagnie de Gary Amadou, journaliste euh, au quotidien La Nation, Hussein Issa, journaliste freelance, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Présentation à Hassan Kouzou Mahamadou, volet technique assuré par euh, Issa, Issaka. N'oubliez pas le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi 10 août et dimanche 11 août dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et dimanche et samedi, toujours à partir de 18h15 minutes, vous pouvez suivre les forums en Hausa samedi et celui de Zarma dimanche. Bonsoir.